Zone de nos médias partenaires, auditeurs et auditrices. Il est 11h et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangou à la présentation Rabia Mekano et moi-même Fanta Shamsou Ça va Fanta, Oui, ça va. Fanta, comment vas-tu ce matin Ça va aussi, Alhamdulillah. Alors rappelle-nous le programme. Comme d'habitude, nous aurons le flash d'information, la rubrique hebdomadaire. Nous ferons un tour à Difa, plus précisément à Goudoumaria, pour parler des problèmes que rencontre la filière Sésame. C'est dans la rubrique Écho des régions et une sélection musicale. Et quelque chose me dit qu'il y a de l'amour dans l'air dans ce studio, n'est-ce pas, Fanta Pour le savoir, rester à l'écoute. Dans cette édition, nous en saurons plus sur la dépression, ses symptômes et sa prise en charge ici au Niger, notamment à Gaïa. Et pour en parler, Fadel Fadela s'est entretenu aujourd'hui avec Maniru Idrissa. Il est spécialiste et responsable du service santé mentale de Gaïa. L'édition est assurée par Adama Dawaki et la technique par Kader Chambiano. de cette émission avec le flash d'information présenté par Rafika Attaher. Bonjour, Bonjour Rafika. Bonjour les filles, comment vous allez Ça va. D'accord, pour ce matin, environ 43 tonnes de matériel scolaire sont acheminées dans les régions d'Agadez et d'Ifa en prélude à la rentrée scolaire 2023-2024 prévue le 2 octobre. L'envoi a été fait par voie aérienne et la cérémonie a été présidée par la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement enseignement professionnel et de la promotion des langues, à Madame Elisabeth Chérif. Ce lot de fournitures est le premier d'une série que prévoit d'envoyer le ministre dans toutes les régions du Niger. Les nouvelles autorités du pays tiennent à ce que, malgré les sanctions injustes et injustifiées qui sont imposées à notre pays, que nos enfants puissent reprendre le chemin de l'école de façon digne avec le nécessaire, a indiqué la ministre de l'Éducation. Le concours de recrutement de la garde nationale du Niger promotion 2023 a été lancé hier à Tilaberi. Plus de 800 candidats sont inscrits au titre de la région. Trois épreuves sont prévues pour ce concours dont la culture générale, le français et les mathématiques. Auparavant, les futurs élèves gardes ont pris part à une course lors de l'épreuve physique le samedi passé qui leur a permis d'accéder à la salle. Enfin, lors d'un point de presse hier à Niamey, le mouvement M62 demande le retrait du permis d'exploitation d'Imouraren détenu par Orano. Dans cette sortie médiatique, il a également abordé la question de la situation sociopolitique du Niger, particulièrement le départ de l'ambassadeur français au Niger et du retrait prochain des forces militaires françaises présentes au Niger d'ici fin 2023, annoncé par le président français Emmanuel Macron. Par ailleurs, le coordinateur du M62 a déclaré une mobilisation nationale jusqu'au départ du dernier soldat français du Niger. Merci beaucoup Rafika et à bientôt. À bientôt. Chers auditeurs, dans quelques instants, vous suivrez avec nous un entretien sur la dépression réalisé par Fadel Alou. Oui Rabi, mais avant nous allons savourer notre première balade musicale intitulée Waini Reina du groupe Soga. Oui, chers auditeurs, c'est le titre de cette belle chanson du groupe Soga, un groupe composé de deux danseurs, cinq instrumentistes et trois chanteuses, Fatih Halidou, Nana Malangarba et Aishatou Ali Soumala. Justement, Rabi, cette belle voix que vous êtes en train d'écouter est celle de Aïchatou Ali Soumaïla, plus connue sous Aïchatou Nkwali. Il s'agit du titre de la chanson qui l'a rendue célèbre en 1999 alors qu'elle faisait partie du groupe l'étendiste de Mamoudou Abdul Salam. Sociologue de formation, Aïchatou s'est lancé dans la valorisation de la culture nigérienne depuis quelques années. soyayya ce da babu masu rabawa. Wai à présent pour parler de la dépression qui est un problème de santé mentale. C'est un trouble dépressif qui peut affecter n'importe qui à l'échelle mondiale. Il touche environ 280 millions de personnes selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Quels sont les symptômes et les facteurs à l'origine de la dépression Suivons ensemble la première partie de notre entretien réalisé par notre correspondant Agaya Fadelalou. Docteur Manirou, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous d'abord nous expliquer brièvement ce que c'est que la dépression et comment elle affecte la vie d'un individu Par définition, il faut comprendre que la dépression, c'est un trouble de l'humeur, donc une tristesse. C'est le symptôme clé, la tristesse. Et ce trouble de l'humeur est caractérisé par une perte d'énergie et d'intérêt pour les activités quotidiennes chez une personne. Donc selon l'OMS, euh, à l'échelle mondiale, environ 280 millions de personnes souffrent de dépression. Et toutes les tranches d'âge sont concernées, a priori l'âge moyen, c'est-à-dire l'âge de 35 à 65 ans. À titre illustratif pour l'hôpital du district de Gaïa, pour l'année 2022, nous avons enregistré 101 cas de dépression sur un total de 506 cas, soit 20% occupant ainsi la troisième place des troubles psychiatriques recensés et pris en charge. Quelles sont les causes de ces troubles-là au, niveau de l'être humain nous, en psychiatrie, généralement, on s'exprime en facteurs. Généralement, il y a trois grands facteurs, mais il peut y avoir des sous-facteurs qui peuvent se retrouver au niveau de ces trois. Nous avons les facteurs biologiques, par exemple des atteintes hormonales. Nous avons aussi les facteurs sociaux, tels que les divorces, les enfants supportent les forces très difficilement ou gèrent des situations très difficiles. Nous avons aussi un gène au niveau de l'éducation. Nous avons la prise des substances psychoactives telles que les drogues et autres. Nous avons les thématiques de stigmatisation, etc. etc. Vous savez que c'est un problème de santé majeur euh, dans le monde. Très bien, c'est vraiment un problème de santé très majeur. Sinon, les statistiques font un défaut. Sinon, on allait trouver plus de cas. Parce que poser le diagnostic devient un peu difficile. Voilà pourquoi, par exemple, au niveau de Gaïa, nous avons formé tous les CSI avec euh, l'appui du partenaire technique et financier Inabel, tous les CSI, par rapport à la prise en charge de la dépression, le dépistage jusqu'au traitement. Et nous avons laissé des outils pour les rappels au niveau de ces formations santé Vous avez euh, abordé brièvement les symptômes euh, au niveau de votre introduction, mais quels sont les symptômes majeurs au niveau de quelqu'un qui souffre de dépression D'abord, le symptôme clé, c'est la tristesse. C'est ça le trouble de l'humeur. En dehors de cela, c'est un patient qui s'inquiète beaucoup d'un problème social il peut avoir un problème au niveau du service, au niveau de son foyer ou dans le reste de la communauté, il peut avoir un problème et cela va tellement le soucier qu'il peut se mettre dans un état. Il peut avoir des troubles de mémoire tels que l'oubli, il peut avoir des problèmes de sommeil, donc où il dort beaucoup ou bien le sommeil est entrecoupé. Il y a la tristesse, il y a les courbatures, il y a manque d'appétit, il y a de colère. Donc il est très irritable par rapport à une situation qu'il ne nécessite pas. Hein. Il ne prend pas soin de ses enfants parce qu'il est tellement démoralisé, il est découragé, découragé, il est dévalorisé, il commence à se culpabiliser. Même prendre soin de lui-même, il n'arrive pas à faire ça. Par exemple, il ne peut pas manger correctement, et laver ses habits, etc. Donc il ne peut pas prendre en aucun cas euh, en charge correctement ses enfants et son mari. Il présente peut-être parfois des douleurs qui sont plus intenses quand la personne a l'air contrariée. Donc c'est quelques symptômes qui permettent de nous dire qu'il y a une atteinte de cette euh, pathologie, la dépression. Donc voilà pourquoi toutes les activités de la personne sont au ralenti. C'est une personne qui entretient bien son, sa famille, qui s'entretient bien avec ses enfants, mais avec euh, la dépression, il perd cette envie de causer avec sa famille. Un fonctionnaire, il part euh, au service. À des moments, il commence à venir en retard. Il commence à manquer des journées de travail ou jusqu'à aller au chômage. C'est un enfant. Il commence à chômer aussi, à ne pas aller à l'école, à faire l'école missionnaire. Et effectivement, le rendement scolaire baisse. Et même le, quand il marche, le balancement des bras là, il ne peut pas faire ça. Et il marche doucement, il a l'air sidéré. Vraiment, il perd goût à la vie. Et voilà pourquoi il faut vite diagnostiquer la dépression parce que ça peut aller à des envies suicidaires. À présent, chers auditeurs, un deuxième tour en musique avec le titre Mariam de Fé El Hashtaya. Cette chanson, nous la dédions à toutes les Mariam qui nous écoutent en ce moment. On écoute et on revient. d'instruments, cette symphonie que vous écoutez n'est autre que la signature de feu El Taya l'une des plus grandes figures de la musique moderne nigérienne. Mariam, cette chanson entièrement composée et chantée par Taya est une déclaration d'amour avec des mots bien calculé. Et eh oui, rappelons que Feu al hashtaya est né en 1951. Artiste hors pair, al hashtaya est l'une et l'un des précurseurs même de la musique moderne nigérienne. Il nous a quittés il y a une trentaine d'années. présent, voici la suite de notre entretien sur la dépression. À l'échelle locale au Niger, précisément à Gaïa, environ 100 personnes ont été enregistrées comme souffrant de cette affection sur les 500 patients suivis par le service de santé mentale de la ville. Comment la dépression est-elle prise en charge Maniro Idrissa, spécialiste et responsable du service de santé mentale de Gaïa, au micro de Fadel Alou. Quelles sont les approches euh, de traitement les plus euh, utilisées à la gestion de la dépression Comme euh, je l'ai introduit, nous avons formé tous les CSI dans la prise en charge. Le document de référence qu'on utilise, c'est un document de l'OMS qu'on appelle le MHGAP. Vraiment, la démarche y pour la prise en charge. Parce qu'en général, on a, selon toujours l'OMS, on a trois types de dépression. Il y a la dépression légère, la dépression modérée à sévère et la mélancolie. Donc la mélancolie, c'est vraiment le stade terminal. Très souvent, il faut, il faut même hospitaliser. La dépression légère, elle passe inaperçue parce que les signes, les symptômes qu'elle présente n'ont pas un impact signifiant dans la vie quotidienne de la personne. Ce qui est vraiment qu'on rencontre beaucoup plus, c'est la dépression modérée à sévère. C'est ce type de dépression qu'on rencontre beaucoup dans nos communautés et pour la reconnaître, c'est tout simplement une tristesse, comme je l'ai dit, et des signes symptomatiques qui sont associés. La tristesse, c'est quand ça dure 14 jours à plus. Donc il faut penser à une dépression modérée à sévère. Maintenant, comment se fait euh, le traitement et la prise en charge, euh, en tout cas ici au niveau de, de l'hôpital du district sanitaire de Gaïa En général, il relève de deux points. Des interventions psychosocial, que je préfère toujours dire en première position, parce qu'il faut comprendre pour agir. Et en deuxième position, nous avons la prise en charge médicamenteuse. Selon le type de dépression, parce que la dépression est légère, sincèrement, ça n'a pas besoin de traitement. Il faut comprendre la personne, il faut écouter la personne, il faut sensibiliser les gens qui sont autour de la personne par rapport à quelle comportement à adopter face à lui. D'abord, on peut mener plusieurs euh, actions dont je peux euh, citer par exemple la psychoéducation, d'expliquer aux patients et aussi à l'entourage. C'est ça que nous on appelle le réseau de soutien. Il faut faire participer l'entourage de la prise en charge. Il faut faire un carnet de suivi avec la collaboration du patient mais aussi de ses accompagnants dans la prise en charge. Donc la psychoéducation permet de faire de poursuivre en tout cas des activités antérieures, donc des activités que la personne arrive à faire mais qu'elle ne fait plus à cause de cette euh, dépression. Donc il faut aider la personne à reprendre ses activités, à respecter très correctement la prise des médicaments et à maintenir un cycle par exemple de sommeil régulier il faut parcourir tous les paramètres parce que ce n'est pas un tabou. Le danger, c'est de dire que c'est un tabou. En parler aide encore plus le patient. Par rapport au, traitement euh, médicamenteux, donc, c'est vraiment des antidépresseurs qu'on utilise dans les deux derniers types de dépression, c'est-à-dire la dépression moine à sévère et la mélancolie. Donc, c'est un traitement qui va de 9 à 12 mois. Chaque semaine, on donne un rendez-vous jusqu'à un mois. Après, on donne chaque mois un rendez-vous jusqu'à trois mois. Après, on donne et chaque trois mois un rendez-vous jusqu'à 9 à 12 mois. Comment se fait la prévention et la sensibilisation de la population de Gaïa euh, face à cette maladie D'abord, la prévention, c'est vraiment important. L'OMS dit que 80% des personnes qui ont des risques suicidaires ont déjà des idées suicidaires. Donc, ça veut dire que si on intervient, on va éviter qu'ils fassent ou la dépression ou la, euh, la psychose, parce que c'est ça qui va les amener à faire des risques suicidaires. D'autres font des tentatives, d'autres arrivent à se suicider. Donc la prévention commence à prendre la personne en charge dans ses premiers instants suicidaires. Et très souvent, euh, comme l'a dit un psychanalyste Freud, qui a beaucoup œuvré dans l'affect des pathologies, c'est surtout à partir de 12 ans où il y a l'installation définitive de la sexualité, où l'enfant commence à se sentir homme, il veut sortir, faire euh, en tout cas des connaissances, aller en dehors de son rayon parce qu'il pense qu'il est devenu homme. C'est vraiment à ce moment que les idées suicidaires parfois commencent. Donc si on intervient dès là-bas par l'éducation des familles, par l'éducation, l'intervention éducative au niveau, par exemple, des établissements scolaires, des enfants qui présentent des signes dès cet âge. Quand on laisse inaperçu, ça passe. Mais ça peut rattraper l'enfant vers l'âge de 18 ans, ou 25 ans ou 30 ans. Alors que si on intervient, on peut vraiment dévier la trajectoire clinique de la personne. L'OMS estime que 30% des risques de psychose développent la psychose. Donc 30% des patients qui sont psychotiques ont déjà présenter ces risques. Par rapport toujours à la prévention, il y a la pratique régulière, par exemple, de l'activité sportive. Ça permet vraiment de s'épanouir, en tout cas de lutter contre cette dépression. Parce qu'on est avec les gens, on cause, on débat, etc. etc. Il y a l'identification, par exemple, des groupes à risque. Il faut éviter aussi la prise de substances psychoactives telles que la drogue, l'alcool et éviter aussi les facteurs stressants. Avant 2020, l'hôpital de Gaïa consulte 2 à 3 patients seulement le mois. Maintenant, avec la caravane qu'on fait au niveau des communes de Gaïa, à travers beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation, on a eu des liens avec l'hôpital de Gaïa. On consulte une moyenne de 50 nouvelles admissions chaque mois. Donc on est passé de 2 à 3 à 50 le mois. Je pense que c'est le fruit de la sensibilisation. Merci à vous, Maniru Idrissa. Je rappelle que vous êtes technicien supérieur en santé mentale et responsable du service santé mentale de l'hôpital du district sanitaire de Gaïa. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Place à la rubrique hebdomadaire. Dans la rubrique santé d'aujourd'hui, nous parlerons de l'alimentation de la femme enceinte. En effet, cette dernière a besoin d'une alimentation adaptée à son état pour éviter des problèmes de santé tels que l'anémie et poursuivre sa grossesse dans de bonnes conditions. Et c'est pourquoi les médecins et spécialistes recommandent un régime spécifique. C'est cela qu'explique le nutritionniste Razak Bello. Il est au micro de Gungu Mohamed Antani. Quels sont les aliments conseillés à la femme enceinte Les aliments qui sont conseillés à la femme enceinte, c'est des aliments riches en protéines parce que au cours de la grossesse, il y a la formation d'un certain nombre de choses qui ont besoin de protéines. Le fait qu'il y a une augmentation du volume des globules rouges, ça nécessite que la femme enceinte puisse manger suffisamment de protéines. Une augmentation du volume de l'utérus, une apparition du placenta, il y a la croissance euh, du fœtus. Il est important que la femme enceinte également puisse avoir de l'énergie. En termes de besoins énergétiques, il y a une augmentation euh, selon les estimations de l'ordre de 300 kcal sur la durée de la grossesse. Par le fait que au cours de la grossesse, il y a nécessité à ce que la femme enceinte puisse constituer des réserves de graisse qui vont lui permettre de mieux survenir aux besoins de l'enfant après la grossesse. Il a la nécessité d'avoir de l'énergie pour que la femme enceinte qui augmente du poids et son poids nécessite qu'il y ait un supplément d'énergie. Donc tous ces éléments-là que la femme enceinte puisse consommer des aliments énergétiques, les céréales, les tubercules comme les légumineuses, les protéines, les viandes, poissons, les lait, le soja, le niébé. Y a-t-il euh, certains aliments indispensables pour la femme enceinte Certains aliments qui sont indispensables. Il y a le cas particulier des aliments riches en fer. On sait que la carence en fer, c'est vraiment un problème de santé publique qui touche en moyenne 50% des femmes en âge de procréer au Niger. Et beaucoup de femmes en âge de procréer qui tombent dans la grossesse viennent avec une anémie et cette anémie risque de se renforcer avec la grossesse compte tenu du fait que la grossesse exige des besoins supplémentaires en fer et que ces besoins ne sont pas souvent satisfaits. Elle va consommer notamment les feuilles de baobab, feuilles de moringa, tout ce qu'il y a comme feu, ça va être bénéfique. Il est également important qu'au cours de la grossesse que la femme puisse avoir des aliments qui sont riches en vitamine A. La vitamine A permet de renforcer le système immunitaire et souvent pendant la grossesse, on a ce qu'on appelle le stress oxydatif, donc ce qui fait qu'il y a une production de poisons qu'on appelle des radicaux libres. Ces poisons-là sont nocifs pour la santé. Donc, du coup, il est important de consommer de la vitamine A, mais aussi de la vitamine C pour pouvoir éliminer ces substances toxiques-là. Des aliments comme la carotte, la courge vont apporter de la vitamine A. Au cours de la grossesse, la femme doit consommer des aliments riches en calcium. L'alimentation de la femme enceinte, c'est d'avoir également ce qu'on appelle la vitamine B9 qu'on peut retrouver dans les aliments comme les viandes. Et la vitamine B, c'est une vitamine vitamines qui participent au processus de formation des globules et lorsqu'on sait que souvent les femmes sont anémies. Qu'est-ce qui est conseillé au cours des neuf mois de grossesse il est conseillé au cours de 9 mois de grossesse que la femme enceinte puisse prendre du poids. Il faut qu'elle puisse prendre du poids lorsque la femme n'est pas en excès de poids avant la grossesse, y compris le poids du fœtus, qui est un gain de poids euh, sur les 9 mois de la grossesse lors de, de 12 kg. Tout ce que la femme enceinte doit consommer, que ce soit dans de bonnes conditions hygiéniques, parce que souvent il y a des parasitoses chez les femmes enceintes qui peuvent causer des problèmes que la femme enceinte puisse prendre davantage de mesures d'hygiène par rapport à son alimentation. Quels sont les aliments déconseillés pour la femme enceinte Les aliments qui sont déconseillés, c'est notamment le sel. Au cours de la grossesse, que euh, la femme évite de consommer excessivement de sel parce que cela peut favoriser la survenue d'une hypertension artérielle gravidique qu'on va retrouver essentiellement chez la femme enceinte. Au cours de la grossesse, il faudrait que euh, la femme fasse attention avec euh, les boissons sucrées. Ça peut faire le lit d'un autre problème qu'on rencontre essentiellement chez la femme enceinte le diabète gestationnel, faire attention selon les situations aux produits très acides. Les produits acides ont tendance à entraîner ce qu'on appelle une remontée acide. il y a beaucoup de femmes qui souffrent de remontée acide. La femme, au cours de la grossesse, elle est souvent sujette à des constipations. Donc, il faudrait que la femme puisse éviter la surconsommation d'aliments, éviter le gavage pendant la grossesse. Également, les excitants comme la cigarette, quel que soit le type de cigarette, tabac ou autre, au cours de la grossesse, il faudrait l'arrêter. La cola, le café, le thé, il faudrait également faire extrêmement attention. Et les études ont montré que lorsque la femme enceinte consomme beaucoup de café, il y a des traces de caféine qui peuvent se retrouver au niveau de l'enfant que la femme enceinte porte. Cela peut avoir les mêmes effets d'accélération du rythme cardiaque. Beaucoup d'études ont montré que les femmes qui consomment de grosses quantités d'excitants ont généralement tendance à avoir des enfants de petits poids de naissance. Poursuivons notre émission avec la sélection musicale spéciale La Love de Fanta Shamsou. Écoutons cette fois-ci le titre "Halimatu" de Mamoudou Abdou Salam. C'est pour vous. titre de cette chanson, c'est aussi le nom de l'épouse de l'artiste Mahmoudou Abdul Salam. Dans cette chanson, il nous raconte leur histoire d'amour qui remonte à leur enfance. Mahmoud Abdul Salam et son groupe Les Tandistes ne sont plus à présenter au public ni aux mélomanes nigériens qu'ils font danser euh, depuis euh, au moins trois décennies. Mamoudou Abdou Salam, une chanson presque d'un amour paternel. Vous êtes bien sûr sur l'émission Le Niger sur Kalangou, présentée par Rabia Mekano et Fanta Chamsou. Et Rabia présente cap sur Difa dans le département de Goudou-Maria où la culture de sésame se pratique de plus en plus, même si la mauvaise organisation du commerce de ces produits inquiète les organisations de la filière, selon Mamadou Karoumi Bagana, producteur de sésame. Il est également membre du cadre interprofessionnel national des producteurs de sésame. Il est interrogé par notre reporter Mahamadou Madou. da kasan difa ba a san menene lidi ba mu ma ganin muke cikin kasan Nigeria. mutane suna kawowa suna saida suna ɗauka daga nan kaɗan kaɗan suke yi mata in sun yi shi sai su hudda su saida a haka kuma abin ya bunkasa nan ishanji ne Nigeria suke kawowa hasi buhu biyu da rabi ridi buhu guda ake ishan shi to a haka ya zama to mun ka ce a in ba ku kara ba mun sai da muku har farashin ya haura a 2019 ina ji wanda muka yi relebe cikin kasan da wanda sun ka yi noma dai ba ma kiyasi ba ne a yadda ka bi karkara mun samu eka 122 mun ka samu wanda sun ka noma lidi zalla a cikin gari 610 an ka samu 252 su ne sun ka nome ina ji a lokacin nan dala 110 ne lidi kilo guda lokacin nan mun ka samu ton 764 kayan lissafi ga kuɗi miliyan 970 ne ya tashi Mun ka samu producteur da 250 ne mun ka samu 360 su ma a lokacin nan kuma kuɗi ya karu na lidi dari da ashirin ashirin ake saya a kasuwa ko a kauye mutum ya zo dari da ashirin ne gari dari hudu da hamsin da biyar kinnan su suke sa a didi a yanzu a zamanin da yake ciki mun samu ton dari takwas da hamsin muka samu a kasan guduma da kaɗai kaga arziki tana shiga kasa ba a bi ta duwan yan najeriya ne suke ɗauka suke shiga ta hanyar a wannan kenan gwamnati ma bata karu ba a wannan mun yi bakin ciki Me kuke yi don inganta yanayin kasuwanci riɗi a Difa? Muna cikin kuka muna cikin kadar da consultation da acteurs kullum in mun je seminar ko reunion haka an mun hadu da su muna cewa su samo muna partner wanda zai zo ya saya ba wanda yan Najeriya su kawo muna ba. Yan Najeriya su ba su a tsoron su hudda kuɗin su. ne suke hudda su kawo su ba talaka lokacin da duniya ta yi tsanani ko lokacin da ka sa riɗin ka samu abin da za ka kawo gida ba. Kawo magani an kantite su ba ma talaka a ce a yi jere. kenan wanda ya ɗauko magani a lokacin da bai da kuɗi sai ya ɗauko shi bashi in ka kare sai ka saida musu riri a farashin da sun ka baka magani ɗaya su kawo kuɗi su ajiye a gari su za su sa farashi mun yi magana mun sha yin magana da direction king commerce da na agriculture mun hadu a seminar muna cewa ga problem mu ni na taba wani dan kasuwa ya kira ni na tai Kano a 2021 sun je sun nuna mini mashin kin nan da ake sufule a fudda. lidi a sa cikin wannan production kin Niger ne in an kai can su ce made in Nigeria buhun kana gani su ta made in Nigeria production kin namu ne su yi sufule su yi ambalen shi a buhu kin 50 kilo da 25 kilo suna nan suna likiya nan gaba na suna kawowa ni da na tabbata mutane nan duka daga kasan mu ne sun ka hudda na san su sun sani duka kasuwannin da suke bangaren nan duka haka nan mun gaya ma gwamnati mun dauko hotuna mun kawo mun dauko audio kinsu mun kawo mun yi bantilin shi ga group kin Sesam Niger amma duk da wannan ya kitila hukuma ta kama muna mu suke zuwa kasuwan mu da lidi ta huta su, su daula farashi an sai da tiyan lidi guda katimil sanfura yaya yanayin amfanin gonakin ku yake a bana bana an yi production mai mun samu eh, ratan ruwa da rashin ruwa da kwari sun muna lalata sun yi banna babu wata microfinance wanda mutum zai zai ya dauka ko abin shi ko wannan babu mun gaya musu mun ce ta kama muna a Niger dai yanzu babu inda ya tunkare mu dalili kap kwata kwata me kasuwa ne ban mu da matsalar mu guda ban mu da kasuwa da zai siyo akwai inda zaka tarda gona guda akwai mai eka hamsin akwai mai sattin akwai mai saba'in production kin yana nan ba arzikin bane babu cikin kasan nan in kai lissafi abin da lidi take hudda lidi ai zinariya ne a kasan nan dai a abinci dai ta zama to zinariya tunda ko shinkafa kilonta bai kai jika guda ba ka gani kilo guda ake sai da lidi yanzu ta haula har kilon ya zama to mil san lidin kare shi sun kai talaka ne take amfana ma kuma gwamnati take amfana ma kenan muna kira ga gwamnati ya kama muna ya samo muna kasuwa wanda za su zo su zo mu zauna mu aje farashi mu yi takardu mun zo a aji ma ko wata redevance bisa wannan kin a aji muna injin nan injin nan tana nan ana ce mata kilina ita take fidda riɗi ta sa a buhu ta yi sufilen shi tak babu daudan komi ta ne da buhu mun tambaya kuɗin sun ce muna miliyan ishirin ne inda gwamnati ta bamu a hukumance ta muna ta taimaka muna tana iya ta bamu bashi tunda a kungiya ne take ba mana kenan mu wakilan kungiya sai mu ɗauko angajima a zo a kafa wannan inji kenan abin da ake kaiwa waje ba ta lalace kuma farashin mai daɗi za ka sai da wanne parti a 195 mil ton dans, dan le département de Gourma Nation miliyar fiye da miliyar dari ne ake hudda a noma shekara guda ka gani ba karamin aiki ba ne shine gwamnati ya kama muna Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Autre aspect de cette émission, attaquons tout de suite la page sport avec Salamatou Kadri. Bonjour, Bonjour Salamatou. Bonjour les filles. Alors, quelles sont les nouvelles sportives Rabi, après une défaite lors de leur première sortie en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football Maroc 2024, vendredi dernier contre les Aigles de Carthage de la Tunisie sur le score de 7 à 0, le 11 national jouera son deuxième match retour cet après-midi sur la même pelouse à Solomon en Tunisie. Et le championnat national de handball a commencé, n'est-ce pas Salamatou Eh oui, Fanta, la 18e édition du championnat national de handball a commencé samedi 23 septembre à Niamey et prendra fin le 30. Parmi les huit régions du Niger, seule Difa n'est pas représentée. Alors, quel est le programme Rabi, pour le programme d'aujourd'hui, ces euh, équipes vont s'affronter en hommes et en dames. On commence avec les dames. ASGNN sera en face de AS Étoile de Dosso AS Efital d'Agadez va rencontrer AS Laban et maintenant un homme, AS Laban va affronter AS GNN. AS Benam de Zander sera opposé à UAM Université Abdou de Niamey. AS Stade Tawa rencontrera AS Stade de Maradi AS Chonichard d'Agadez et AS Police vont s'affronter. Et enfin, AS de Tilaberi jouera contre AS Étoile de Dosso. Et en football, plusieurs équipes de la Super League de football du Niger se préparent pour la reprise du championnat. Et oui, le championnat national dénommé Super League est prévu le 27 octobre prochain. Les différents clubs ont effectué leur entrée sportive. De nouveaux recrutements de joueurs ont été faits pour remplacer les départs ou renforcer les équipes. Le tout pour attaquer la meilleure des façons la saison à venir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Salamatou Kadri. Après le sport, allons découvrir autre star du jour dans la rubrique portrait. Oui, aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Hajia Hadiza Salifou. Si ce nom ne vous dit rien, il s'agit de la fondatrice du foyer Ibadou Rahman qui n'est plus à présenter. Hajia Hadiza a beaucoup contribué dans le développement de la formation des femmes sur plusieurs activités génératrices de revenus et sur la bonne gestion de leur foyer. Oumou Omaru l'a rencontrée, on l'écoute. aikin dai da na fara shi tun 18 na fara aikin nan yau ina da kusan shekara ashirin da bakwai nake cewa ina cikin wanga aikin dai da nake yi na kai na haka na fara da salon de coiffure a pre yana yin wani caje muna yin duk abun da ya shahi harka addini shine salon da ya kufafir na farko wanda aka fara budawa wanda ba a aiki da wani abu duk da ya zama na kari ne ba a yi wurin sai mama ta nasiha ana gyara su ana musu kwalliya amare ana musu wani gomage ana musu wani chadiyan ana musu wani kwansai kuma in amarya ta yi armi tun kame wannan makeup ya zo mu muna zuwa ne sai an wace kowa ya tafi sai kamin an ya shigo minti talatin mun gama gyara amarya shafshaf mun gyara ta masha Allah mun sa mata kaya sannan mu biye mata da nasiha yadda za ta yi tsabta da gyaran jikinta yadda za ta tafiyar da rayuwanta cikin farin ciki da natsuwa kuma a jinance. Hajiya Hadiza me ya ba ku kuzari kun ka wannan fuwaye ibadar rahman eh fuwaye ibadar rahman dai na bude shi jimila nef da muna yi ne amma daga baya sai muka bude fuwaye ka ga cewa ya kamata a ce mata su samu karuwa da ci gaba da ana samun yara ekol wasu in ta taɓarɓare kuma sai ki gansu suna yawo suna shiga hanyoyin da bai kamata ba maza suna mutuwa suna barin mata suna shiga cikin wani yanayi haka kuma mace ta yi aure sai ki gani ta rabu ta fito uwaye ba su da karfi ko in ce ba komi ba ne uba zai zo ya miki daga baya sai ki gani kina son kaza kina son kaza in ba babu sa'a sai a shiga cikin wani hali wanda dai kuma wa iya billahi ko kuma ki zo ki gani mijinki ba ya da karhi ke kuma baki koyi sana'a ba lakwal in baki ba zaki iya zo ki shiga cikin hali kuma kaka nike mai in kina da sana'an da zaki zaki kama ma mijinki mijinki yayi bulaguro ya barki da yara ya kin ya aiko miki zaki samu ki rufa ma kanki asiri ki ruha ma 'ya'yanki asiri dan shi ne muka yi wannan tunanin cewa kamata mu kama ma mata yan uwanmu su ma su samu sana'an da za su yi don su rufa mu kansu asiri su gyara rayuwarsu na duniyarsu da lahirarsu to yanzu da kinka fara aikin zuwa yau wani alheri kinka samu su shi ni na samu alheri alhamdulillah tunda na samu yabo da yawa ga mata masha allahu yau mata sun kama jikinsu na yi formation cikin niger na fita waje na yi agadez na yi tilaberi na yi maradi na yi zander na yi tawa na yi doso na yi nan yamen demil disnef zawa yanzu ya kai mace dubu biyar da na yi farwe wani irin kira za yan uwan mata gaskiya kiran da zan yi musu shine cewa ita rayuwar duniya dai gaskiya idan kina tunanin babanki yana da abun da zai iya bar muku ba zai ishe ku ba za ki iya zautar rana za ki rasa baban nan kina da miji ki gani yana miki duk abun da kike so abun da zai mutu ya bar muku ma in kina tunanin ba zai ishe ku rayuwar ku ba har ku ida da ke da 'ya'yanki in kina tutun da yau abun da duk baka nema da hannunka ba ba za ka iya kai shi ran shi ya maka abun da kake so ba ko gidaje aka bar miki idan ba baki iya juyawa ba wata rana zaki waye gari baki da abun da ma zaki iya cewa ki yi wani abun zaki bukace shi ba in kina aikin kina hannu babu babu ranar da dala bai shigo miki kin iya wannan kin iya wannan kin iya wannan yau ni alhamdulillah na gode ma Allah dukkan lakwal ita bata huce sai MD ba amma yau a cikin aikina na hannu na goje ma Allah na ga ɗakin kaba so uku na kai mata mahaifina na yi mishi haji na kai kauna mamata da ta rike ni na yi tataye na yi gida tubari kala wani karamin ma'aikacin gwamnati ba zai iya shiga ba na canza mota yadda nake so haka nake yi cikin rayuwa ta alhamdulillah Merci Oumu Oumaru pour ce portrait inspirant. Chers auditeurs, pour euh, clôturer notre playlist du jour dédiée à quelques-unes des plus belles déclarations d'amour en chanson, nous allons cette fois-ci écouter Amina Are de Feu maman Barka, une chanson à Nkanouri. di yaro ni tiragna a odi kidi manokni kana waki buri buki nikiya buri diran niki buki wa wawo gudu waki ingi yaki nikiya ingi diran niki yaki o. amina are amina are kalkal

gurunguramro niye bero amina amina amina amina amina aminare aminare aminare ni fadon bune amini nangaru am warazai amini nangaru am waduzai amini nangaru am wabatai amini nangaru am warazai amina marneni waro ne amina dafero mai ramkaye amina are amina are ngema

Voilà, Amina Are, cette belle chanson annonce le loti du jour, n'est-ce pas, Rabi Oui, Fanta, et tu sais qu'à un certain âge, il n'est pas prudent de laisser les enfants seuls à la maison. C'est pour éviter des problèmes et des accidents. Tu en as parlé avec Rekia Arimi, euh, suivant ce loti. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji kai kai kai wa nake gani haka safi yar uwa ke ce masha Allah na shima da ki ya ne kina lafiya alhamdulillah umma wallahi mun jima da juna kwarai kuwa an ya mu kai shekara biyu ma tun bikin bebenki ridwan mm. ya ma yake da dama shi lahiyar shi lau na bar shi a gida umma kin san ba daɗi ka ringa yawo da yaro a bayanka abin da wuya gaskiya kina da gaskiya ni ma bani iyawa don gaskiya wuya gare shi har dai ka zo kasuwa da yaro wallahi kenan tare da baban shi ki baro shi baban shi a'a shi ma ya kawo ni nan ya aje ni kasuwa ya wuce wajen wani fatiyar biki a ah, to shikenan To da wa ka baro jaririn? Halan um. dai mai reno gare ki. <laughs> Umma wallahi banda mai reno yana kwana dai na hita sai na bar shi shi kadai gida. Shi kadai? Rinuwan inda bai ma cika shekara biyu ba. Ke bari ta da hankalinki sai da na rihe kohohi da makulli sannan na hito ba abin da zai same shi insha Allah kuma ba wanda zai je ya tada shi. Kin ga dama na zo ne in yi gaugawa in kare abin da zan yi direct in wuce gida amma sai na dan biya wajen tela na na ɗauko riguna na kwamkin san akan hanyar inna lillahi wa inna ilaihi raji safi me akai an yi hakan ki kuwa ke wace irin uwa ce to umma me hankalin ki ya tashi haka dan na ce miki na bar riduwan shi kadai a gida me yake yi abin da na saba barin shi haka nan shi kadai in zo in yi abubuwa na in koma kullum yana barcin shi kaman kaman wanda ya yi aikin duniya yanzu haka ma yana son yana barci ba abin da ya dame shi Gaskiya ni ban taɓa ganin uwa irin ki ba. To. Ƙaƙa ki tashi ki rihe yaro cikin ɗaki sannan ke ki hito hankalin ki kwanci salim alim kina yawo cikin gari. Anya kin san irin haɗarin da ke ɗauka kwa. Ƙoƙari ma gare ki. Ke umma a je hankalinki babu wani abin da zai same shi. Kuma ba ƙarshen duniya ba ce don na bar riduwan shi kaɗai a gida. Kuma ba na farko ba ne matsala guda ɗaya ce in ya tashi da barci. amma kin gani shi yasa nake gaugawa kamin ya tashi na tahi na koma gida safi yaro ko barci yake ko horke yake bai kamata ba bai kamata ba sam ki bar yaro shi kaɗai cikin gida yaron da yake buƙatar kulawa a ko da yaushe kin ga ɗanki ridwan zai iya tashi yayi ta kuka kuma wannan zai iya taɓa kwakwalwar shi taɓa kwakwalwa kuma ke mm. ban ciki da wannan abun na nasaru ba komi ba ne shi dai larurar kwakwalwa ba ta san ba launin fatar mutu. ke bayan wannan ma ɗanki zai iya tashi ya taya miki wata barna cikin gida ba na miki fata amma zai iya jimuwa ya yanke ko kuma ya kawo wani haɗari da ake cewa haɗarin cikin gida haɗarin cikin gida kuma me wannan haɗarin cikin gida su ne misali wata gobara ko kuma yaro ya yanke ko ya ƙone ko kuma ya samu wani abu ya shaƙe shi wanda numfashin shi zai tsayawa yara suna da ɗan karen ƙunƙunto suna son su taɓa komi suna son su san komi yana iya ya ta cikin gwadalarki ya kunna gas gazikin nan kuma baya da kyawu sai ya shaƙe shi ko kuma ya sa huta ma cikin gidan gaba ɗaya. kai subhanallahi subhanallahi allah ya kiyaye mu umma idan danki bani tsoro ne kike haɗi mini wannan abu da allah bari ban na so ba da in baki tsoro bane ba gora ko kuma dan ina miki wani mummunan hwata amma ya kamata ki gane kuma ki kula ki daina barin yaron ki shi kaɗai a cikin gida. Ba abu bane mai kyau. Kina iya idan za ki huta, ki tai ki kai ma makotan ki shi kamin ki ƙare yawon ki. Ko kuma ki samo mai reno ta ƙwarai ingantacciya ta gari. Wallahi kina da gaskiya. abin da kika haɗi mini wannan ya taɓa ni ban ma san ba ko na ci gaba da sayayyan kayan nan yanzu abin da nake so kawai komawa gida in je in ga yadda Ridwan yake wayo Allah ka aje ma a ce wani abu ya same shi na san dai lahiyar shi lau kwantar da hankalinki safi insha Allah kin isko shi lahiya ki maza dai ki shi gida Allah ya kiyaye danki amin amin taxi taxi taxi haro banda Merci, euh, merci les filles. Passons à présent à la rubrique culture linguistique et ça sera avec Asumana China. Bonjour China. Bonjour euh, Ravi. Avec toi aujourd'hui, nous en saurons plus sur le mot récolte. C'est le moment des récoltes et on en parle tout de suite. Eh oui, aujourd'hui c'est les paysans qui vous parlent. Donc euh, nous allons voir la définition du mot récolte. Récolte, c'est un nom féminin dérivé du verbe récolter. Il désigne l'action de recueillir dans le champ les produits agricoles euh, cette action a lieu après un temps de production. Par exemple, nous sommes presque à la fin de la campagne agricole au Niger et c'est l'occasion pour les agriculteurs de faire la récolte du mil, du niébé, du sorgho et autres produits des cultures. On peut aussi faire la récolte d'autres produits qui ne sont pas agricoles. On peut parler de la récolte du sel, par exemple. Et les produits recueillis sont qualifiés de récolte eux-mêmes. Voilà, donc la récolte peut se faire euh, à la main ou bien mécaniquement. Et pour certaines récoltes, comme celle donc euh, comme celle des oignons, des pommes de terre, des carottes et autres, la combinaison des deux systèmes euh, est possible, c'est-à-dire on peut les récolter mécaniquement ou bien à la main. On peut citer donc comme synonyme du mot récolte arrachage, cueillette, ramassage. Je vais aborder ce terme un peu en Hausa. don da hausa wannan kalma ta recolt tana nufin girbewa wato a girbe amfanin gona cikin gonaki bayan wani lokaci na ayyukan noma misali yanzu haka muna dab da karshen damana a nijar wannan kuma wata dama ce ga manoma na su girbe hatsi wake ko, ko, ko dawa ko kuma dai wasu kayan gona da aka noma amma kuma kalmar kamar yadda kuma wannan kalma ta recolt ke nufi da faransanci tana shafar wasu kayayyaki da ba na noma ba misali kamar wato gishiri eh, da sauransu to sai da hausa ba iya cewa ana rekoltan gishiri sai da ce wato an cikin wannan kalma ba ta shafar kamar gishiri haka sai da ce kamar an hidda gishiri ko kanwa haka su ba ba girba su ake da hausa ba a ce haka mm-hmm. eh to sannan kuma girbar amfanin gona ana yin shi ko da hannu ko kuma da inji wato mashin misali kamar su albasa da da sauransu da dankalin turawa ko kuma karoti su ana iya yi ko da hannu ko kuma da mashin ana amfani da su wajen girbe su to mun gode sosai asuma na shina Hussein Saleh, enseignant à la retraite. Le programme qui m'intéresse surtout, c'est cette émission-là que vous faites avec les agriculteurs. Ça, ça m'intéresse. Également, il y a une émission euh, que vous faites sur euh, la justice. Ça aussi, j'écoute ça régulièrement. J'écoute tout le programme, hein, mais ce sont ces deux-là qui m'intéressent vraiment régulièrement. Ce que je propose, c'est que vraiment ils étendent leur rayon. Vous avez 52 radios, c'est bon. Cherchez toujours d'approcher d'autres radios qui peuvent vraiment, pour, de façon que tout le pays soit couvert par Kalangou. Vous avez des journalistes compétents. Franchement, j'apprécie la manière dont les gens là, les hommes comme les filles, hein, surtout les filles, comment elles s'expriment régulièrement, que ce soit dans toutes les langues. Vraiment, ça, je, je suis édifié, ça, ça me plaît beaucoup. hanga masha Allah igo ga hangana walla espace femme inga dai ga hangana gumai ne da albahari ki gano ike kana ise zarmici ne wana da hauski ne wana da faransai kunna ga ma wallahi kun mono ga ibe gandi farm femme dai ne ga bayim tantan irse ibobo zama ga goyi borai bun ai feri agi no fahamai agi no bayrai bubakar sailo ai ga amma mamman tuwa tukulu ai ga ta tare ga hangan sigire ga bagu makan kana ise labari fongo na kanistar ga mara docin dai bon studio Rabi, on va clôturer, n'est-ce pas Voilà, point final euh, de cette euh, édition du vendredi 26 euh, septembre 2023. On se dit à demain avec un autre duo. Vous étiez en compagnie de moi Rabia Mekano et Fanta Chamsou. L'édition a été assurée par Adama Dawaki et la technique par Abdulkader Chambiano.